les populations au niveau des SICAP s'organisent pour euh, participer à l'appel du chef de l'État, certes, mais également à l'appel de la d'un meilleur cadre de vie individuel pour chaque population, pour chaque quartier. Et donc, euh, ça fait quasiment deux mois que nous sommes dans des phases préparatoires, d'organisation. Et au niveau de Liberté 5, la semaine dernière, nous avons installé le comité de quartier qui est pilotée par Madame Oumindiaï, qui est une jeune dame. C'est d'ailleurs la seule femme euh, présidente de comité de quartier pour le moment. Mais au préalable, ce sont des jeunes également qui se sont toujours investis pour le quartier. dans le cadre d'une association, ils se sont toujours investis. Elle n'est pas seule, elle est entourée de Lamine, elle est entourée de, du doyen Aloïse et d'autres figures, des Badjanougor, des imams, du délégué. Vraiment, ici, il faut se féliciter que toute la population participe à l'appel, mais les jeunes en avant. Et nous ne pouvons euh, que qu'encourager cette dynamique-là, parce que comme on l'a indiqué, si nous voulons faire de nos quartiers des modèles euh, de propreté, nous devons nous investir. Et là, on voit que c'est effectif au niveau des Liberté 5, au niveau des CICAP de manière générale. Et comme vous l'avez constaté, le cleaning day, ce sera le 7, mais nous avons Aujourd'hui, nous sommes le premier, nous commençons et nous verrons pour chaque étape qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Ce qu'il faut constater maintenant, c'est que le sable est vraiment une priorité. Euh, voilà, le président de la République a lancé un programme national qu'ils vont voir comment matérialiser. Nous voulons également l'aménagement des espaces. Ici, nous sommes dans le terrain de Yonunam qui mérite euh, une clôture, qui mérite certains aménagements. Nous avons également des problèmes d'assainissement. L'ONAS est là, mais il y a également tous ces problèmes-là qu'il nous faut voir. Au-delà maintenant des cliniques, nous nous retrouvons avec les populations pour voir comment prendre en charge la question de l'employabilité des jeunes au niveau local. Et pour cette question-là, il faut faire une collecte de données pour savoir quels sont les profils, est-ce qu'il faut de la formation. C'est dire que nous mettons ensemble nos efforts, institutions, populations, pour régler nos problèmes au niveau local. Le prophète Mohammed a dit « La propriété fait partie de la foi » raison pour laquelle nous sommes euh, euh, réunis, euh, nous, sommes là aujourd'hui, derrière Madame la ministre Zahra Iyan qui est très dynamique, très engagée, hein, pour, surtout pour cette cause-là. Alors, entouré également par l'ensemble des notables du quartier et les autorités locales, les jeunes, les femmes, tous ensemble pour un seul but, rendre notre quartier propre, rendre le Sénégal propre et zéro déchet, comme l'a dit le président de la République, comme qu'il a voulu. Alors je crois que c'est possible. C'est possible, comme il avait dit lors de son discours à la nation, c'est possible si chacun de nous considère le Sénégal comme sa propre demeure comportement citoyen ak engagement moy lepp ñu bañ comportement citoyen rek ku sétal sa kër rek war nga mëna ci biti jikko yi yi ñun pratiquement on a fait du porte à porte te porte à porte ñëpp nous Nous délégué yaangi gox maire communauté chrétienne tout le monde

ñëpp a nekk benn retrouvé wu nekk mille famille su noonu sama sago aussi ñëpp dañuy nekk benn ñëpp di xam di participer daaw noonu laa participer jox leen njëgu ataay yi boisson yi tout ñuy ataay pare peinture bi peinture euh, trottoir yëpp tam ma participer si parce que c'était gentil de leur part waaw tey tax ngeen nag si ka bi set wecc moom dañu jël tali bi nga xamante ne moo nekk ci devant la Sonatel moom la ñu jël jël tali bi nga xamante ne dafa dem en face Iba Der Thiam terminus bi jëm ci terminus bi bu buñ ko jëlee dañ koy jëlaat ñëwaat si fu ñuy wax see bande doo a jël tali bi nga xamante ne moo nekk sur les deux voies rue sans soleil doog a dem tali bi jëm JVC loolu mooy nga xam ne programme bi dañu ñu tey fii la ñu tàmbali ñoo ngi fii am na équipe bu nekkoon ci jardin bi pour mun a def fii tamit liggéey bi nga xam ne moo ci war axe nga xamante ne mooy axe au Liberté moom la ñu jël tey pour setal ko Euh, loolu daal moom mooy nekkal suñu programme tey waaye ñu xam ne programme bi ñun suñu programme du tey du tey rek ndax bu fekkente ne dañ nettoyé tey samedi bi so tëbaat ba beneen weer bi donc am nañu yaakaar ne buñ dellu see lañ nettoyé woon tamit day fekk mu xaw a mu xaw a kii prévu nañ nag ci biir semaine bi ci biir mois bi ay bis yoo xamante ne dañuy génn ok aussi ñu xam ne am na équipe bu mairie bi ñoo xamante ne am na bis yoo xam ne dañ fi ñëw tam di nettoyer loolu suñ ko boolee ñun ak li ñuy def yaakaar nañu ne suñuy objectif dañ ko atteindre